la jeunesse semble rompre avec leur ancien statut d'être des simples accompagnateurs, des simples électeurs ou des simples agents des campagnes électorales. Maintenant, ils se sont vus professés aujourd'hui en tant que candidats dans presque l'ensemble des partis politiques. Un des paramètres de fou à notre sens, euh, est notifier la faillite du système. Le système, en tout cas, a créé les conditions qui ont fait en sorte que la jeunesse n'a pas eu le choix de s'impliquer de plein pied. La jeunesse a passé tout son temps aux activités syndicales, militantisme la société civile, mais ce semble n'est pas être payant. Une autre raison, il faut le constater, la désignation à la nature semble être euh, les plus euh, manifeste dans les partis nouvellement créés. Et la jeunesse, elle aussi, laissée pour compte, semble trouver à travers cette main tendue un horizon pour enfin vouloir essayer de changer la donne.